Ist was warm. Ist was warm. Ist was warm. à Niamey. Si vous nous rejoignez, vous écoutez le forum Espace Femmes de Studio Kalangu, une émission qui aborde essentiellement les questions touchant les femmes nigériennes, mais qui concerne euh, tout le monde, euh, évidemment. Les cancers du sein et du col de l'utérus chez la femme, euh, quelle prise en charge au Niger, c'est la thématique sur laquelle nous allons échanger ce soir. Dans le monde, 12,5% des décès seraient survenus à cause des cancers ces dernières années. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le cancer a tué au Niger près de 4600 personnes en 2014, soit 2400 décès enregistrés chez les femmes et 2200 chez les hommes. Qu'est-ce que le cancer, lequel est fréquent chez la femme ici au Niger Quels sont les facteurs favorisants de la maladie Peut-on le soigner et en guérir euh, complètement Est-ce que le Niger dispose d'une meilleure euh, prise en charge Que faut-il faire pour prévenir euh, le cancer pour répondre à ces interrogations, nous recevons dans ce studio Dr Jakite Ibrahima, chef de département d'oncologie médicale au Centre national de lutte contre le cancer. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Nous recevons aussi euh, Madame Rayana Halilou, représentante de SOS Cancer, euh, une organisation qui lutte contre cette maladie. À la présentation de cette émission, vous avez Rayla Tsumana. Bonsoir à tous, euh, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence euh, aujourd'hui. Avant de se lancer dans le vif euh, du sujet, veuillez, mesdames et messieurs, nous définir la mission de, l'institution que vous représentez ici ce soir. Docteur, je commence par vous. Merci, madame. Je suis médecin interniste oncologue médical chargé de la chimiothérapie au Centre national de lutte contre le cancer. Le centre a pour vocation une amélioration de la prise en charge du cancer au Niger. Et pour ce faire, il est prévu de mener des activités de prise en charge médicale, notamment la chimiothérapie. Il est prévu également de lancer une unité de radiothérapie qui, pour le moment, n'est pas encore euh, opérationnelle. Donc, c'est l'unité de chimiothérapie qui fonctionne actuellement donc le traitement médical des cancers. Merci docteur. Euh, madame euh, Rayana Halilou, vous venez de SOS Cancer. Euh, dites-nous quelle est la mission de votre centre. Oh, bonjour. L'ONG SOS Cancer a pour objectif la sensibilisation, le dépistage et former les formateurs des écoles de santé. D'accord. Vous êtes basé seulement ici à Niamey ou dans les autres régions aussi Maintenant que le décor est planté, nous allons rentrer dans le vif euh, du sujet. Selon des projections, le nombre de cas de cancer pourrait atteindre 15 millions d'ici 2020, dont 70% dans les pays en voie de développement et plus d'un million en Afrique. Au Niger, plus de 8000 cas de cancer ont été diagnostiqués en 2015 selon l'OMS et presque 10% de risque de développer le cancer à la naissance. Docteur, euh, je commence toujours par vous. Comment peut-on définir euh, le cancer D'une façon simple, le cancer peut être défini par une multiplication désordonnée de cellules euh, anormales, dites euh, atypiques. Et cette multiplication anarchique sans frein des cellules conduit le plus souvent à la formation d'une masse au dépens de tel ou tel organe de l'organisme. Parce que le cancer peut se développer au dépens de n'importe quelle cellule cellule, de n'importe quel tissu de l'organisme humain. Et qu'est-ce qui fait à ce que ces, ces cellules-là se développent euh, de façon désordonnée C'est quoi la cause il y a différents facteurs euh, favorisants. Il y a par exemple, euh, d'une façon très simple, des facteurs environnementaux, souvent en rapport avec la pollution atmosphérique, en rapport par exemple avec des industries anarchiques où les moyens de protection ne sont pas forcément réunis, où l'exploitation aussi de mines de façon anarchique euh, sans prendre des dispositions de sécurité suffisantes, ça peut favoriser certains cancers. Il y a aussi des facteurs professionnels l'exposition à certains produits chimiques comme des produits, euh, ce qu'on appelle les hydrocarbures saturés, des, dérivés du pétrole euh, ou les rayonnements ionisants dérivés de l'uranium. Je donne juste quelques exemples, hein. mais en dehors aussi de ce facteurs, il y a d'autres agents, même certains microbes qui peuvent favoriser certains cancers. Il y a des virus comme le virus de l'hépatite B en rapport avec les cancers primitifs du foie. Par exemple, le human papillomavirus aussi en rapport avec les cancers du col de l'utérus. Mhm. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs euh, étiologiques pour ne citer que cela. Mais est-ce qu'il y a une différence entre tumeur et cancer Un cancer est une tumeur, mais pas n'importe quelle tumeur. Mais quand est-ce que le tumeur devient cancer Il y a deux types de tumeurs. Il y a des tumeurs bénignes qu'on peut traiter si besoin est, mhm. généralement par la chirurgie. Mhm. Le cancer est ce qu'on appelle la tumeur maligne. Dans maligne, on voit déjà quand même le terme mal qui apparaît dedans, ce qui témoigne quand même euh, de la gravité. C'est une tumeur qui peut se propager, qui peut partir d'un organe donné, mais se propager à d'autres organes de voisinage ou même éloignés de l'organisme et parfois arriver même à un stade de, cancer euh, généralisé. ce ça veut dire que ça suit le sang ou comment ça fonctionne la, dissémination peut se faire effectivement par le sang et aller se localiser dans d'autres organes. Ça peut passer aussi euh, dans les ganglions lymphatiques. Mhm. pour toucher aussi d'autres euh, organes. D'accord. Merci, docteur Jakite, madame euh, Rayana Halilou, vous venez de SOS Cancer. Dites-nous, au sein de votre sens, euh, quels sont les profils des femmes que vous accueillez pour les dépistages, par exemple? les dépistages, on accueille toutes les femmes, toutes les femmes qui ont l'âge de la procréation. Elles peuvent venir se faire dépister. Et les jeunes filles peuvent venir se faire dépister au sein mais ceux qui ne sont pas les jeunes filles, de tous les âges. D'accord. Mais lesquelles sont les plus fréquentes là-bas Les plus fréquentes, ce sont les femmes mariées, surtout les femmes mariées. Vous avez une tranche d'âge, euh, par exemple euh, On n'a pas une tranche d'âge, parce qu'au Niger, les femmes se marient parfois à 15 ans. C'est surtout les femmes qui ont les 30 ans, 40 ans qui viennent le plus. Mais les vieilles femmes, parfois, elles, ne veulent pas se faire dépister parce qu'elles disent que peut-être euh, ce des hommes qui sont là, mais nous, on n'a pas des hommes chez nous. C'est sont des filles et parfois, elles disent que ce sont leurs filles, elles n'aiment pas que qu'elle ne veulent pas montrer leur nudité euh, parce que ce sont des jeunes. Parce que ce sont des jeunes. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là Est-ce que vous les sensibilisez On les sensibilise et elles acceptent. de venir. De venir. Mais au sein du centre, vous êtes au nombre de combien Il y a combien de médecins, d'agents qui font ces, ces opérations-là On est au nombre de sept. L'oncologue, qui est la présidente. On a deux infirmières, deux sages-femmes et une secrétaire. D'accord. Et en journée, en une seule journée, vous pouvez, vous pouvez accueillir combien de femmes, par exemple Vous savez, sans la sensibilisation, parfois les femmes ne viennent pas beaucoup. Mais avec la sensibilisation d'Octobre Rose, parfois on accueille plus de 50 femmes par jour, plus de la 60 femmes par jour. D'accord. Mais avant Octobre Rose Elles viennent parfois une dizaine, une vingtaine. Qui viennent Qui viennent. Ça veut dire qu'elles ne sont pas informées Parfois, ça manque euh, la sensibilisation, elles ne sont pas informées. Mais maintenant, on a commencé à sensibiliser les femmes dans les CSI. Elles commencent à venir. Merci, Madame Rayana. Donc, euh, chez la femme, c'est le cancer du sein, 28%, qui serait la première cause de mortalité, suivi de celui du col de l'utérus, 12%, et celui de l'ovaire. Docteur Jakite, à ce jour, à combien estimez-vous le nombre de cas par an du cancer de la femme de la femme, bon, je n'ai pas vraiment de statistiques exactes, mhm. mais on peut quand même euh, avoir une idée, puisque les femmes que nous recevons quand même généralement pour les besoins de chimiothérapie, au niveau du centre, nous accueillons quand même euh, par jour, euh, nous pouvons avoir 15 à 20 malades qui viennent recevoir leur chimiothérapie. Et donc dans la semaine, on peut quand même avoir entre 80 et 100 cas de chimiothérapie. Donc vous voyez, ça donne quand même une idée du flux. Ça, c'est les personnes qui sont au traitement. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et donc, euh, peut-on en guérir complètement de cette maladie Bien entendu, le cancer de nos jours n'est plus une fatalité dépister à temps, puisque euh, voilà, la, la, représentante de l'ONG a quand même insisté sur le dépistage. Il est important de dépister, puisque une fois que le diagnostic a été posé de façon précoce, c'est-à-dire tôt, à temps, on guérit pleinement du cancer avec les méthodes disponibles, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie l'association de ces moyens de traitement permet d'obtenir une guérison complète. Est-ce que le centre euh, d'où vous venez dispose euh, du plateau technique et du matériel nécessaire euh, pour prendre en charge les cancers Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont évacués. Actuellement, c'est le département de chimiothérapie qui est fonctionnel. Pour le moment, le département de radiothérapie n'est pas encore euh, opérationnel. Nous espérons très prochainement. Et s'il arrive vraiment qu'on démarre la radiothérapie au Niger, je pense que ça va vraiment contribuer à une baisse significative euh, des évacuations sanitaires en rapport avec le cancer. Et que prévoient les autorités sanitaires euh, pour que la radiothérapie soit fonctionnelle Les choses avancent puisqu'actuellement les installations sont prêtes les bancaires sont prêts, le matériel lui-même prévu pour la radiothérapie est déjà commandé, donc nous attendons vraiment l'arrivage et l'installation du matériel. Après cela, il y a juste, il y aurait une phase quand même de supervision, de surveillance de l'AIEA avant de proclamer l'ouverture euh, officielle. Je ne peux pas vous donner euh, une date précise, mais très prochainement, la radiothérapie va démarrer au Niger. Et maintenant, vous allez nous dire la différence entre chimiothérapie et radiothérapie parce que on entend souvent chimio, chimio, chimio, mais en réalité, on ne sait pas à quoi ça consiste. c'est vraiment une bonne question, je trouve, puisque c'est vraiment les gens se posent beaucoup de questions de façon générique. Ça signifie une thérapie avec des produits chimiques une thérapie est un traitement. Mhm. Donc chimiothérapie, le terme s'explique en fait en lui-même. C'est un traitement avec des produits chimiques. Mais maintenant, dans le cas du cancer, ce n'est pas n'importe quel produit chimique, ce sont des produits chimiques anticancéreux, dont l'objectif est de détruire les cellules cancéreuses. Donc on parle de traitement agressif ou je ne sais pas. Bon, la chimiothérapie, effectivement, peut présenter des effets secondaires. Mais néanmoins, il y a quand même euh, des médicaments d'accompagnement pour euh, prévenir, amoindrir ou traiter ces effets secondaires quand ils surviennent. Est-ce que ce traitement-là, c'est un appareil, c'est des comprimés, une injection C'est quoi ah, le produit D'accord. Bon, généralement, ce sont des produits injectables qu'on fait passer dans des sérums. Donc, il y a différents protocoles en fonction du type de cancer et de la localisation. Mais il y a d'autres voies d'administration. Il y a de la chimiothérapie, même des formes même en comprimé. Il y en a, ça existe. Mais en grande majorité, ce sont des sérums. Et revenons à la radiothérapie, nous ne disposons pas encore l'appareil. Pas encore, d'accord. <laughs> bon, puisque là, bon, la radiothérapie, là, là, c'est une autre méthode de traitement qui est basée sur des rayonnements, des radiations ionisantes, des dérivés de l'uranium, qui sont bien entendu contrôlés et ici, ces rayonnements-là, on les utilise. L'objectif, c'est aussi de détruire la cellule cancéreuse. Parce que ces rayonnements peuvent provoquer des lésions. Dans la cellule, qu'est-ce qui est vital pour la cellule C'est le noyau. Et ces rayonnements-là vont aller provoquer des lésions au niveau du noyau des cellules cancéreuses. Merci, docteur Jakite. Madame Rayana Halilou, est-ce que de votre côté, vous faites des traitements du cancer Chez nous, on ne fait pas le traitement du cancer. On fait le dépistage et la, les sensibilisations Donc, une fois que c'est sensibilisé, vous référez la personne à l'hôpital. À l'hôpital national. à, l'hôpital national. Merci beaucoup. Euh, je vous propose de suivre Mariama Kangayi, euh, témoigne euh, de comment a été dépistée sa maladie. To, j'ai été une patiente de docteur Dillet. J'ai été victime de cancer du sein il y a de cela quatre ans. Après analyse, on m'a diagnostiqué un cancer et c'est en ce moment qu'elle m'a proposé une ablation du sein. Je lui ai répondu que si c'est ce qui peut me soigner, je n'y vois pas d'inconvénient. J'ai senti une masse dans mon sein et c'est seulement quatre mois après qu'on m'a fait l'analyse. Puisque la première fois que j'ai consulté un médecin, on m'a fait comprendre que ce n'était rien de grave. C'est suite au prélèvement pour l'examen qu'on m'a notifié que la masse a commencé à se cancériser. Donc le médecin disait que puisque la situation est ainsi, mieux vaut pratiquer une ablation du sein pour que les cellules cancéreuses n'atteignent pas les autres organes. Et après, j'ai subi une chimiothérapie au centre avec euh, euh, les docteurs euh, Diakité. Après, docteur euh, Diakité, Ataisi. Voilà, alhamdulillah. Donc, en ce temps-là, vous aviez quel âge 44 ans. Est-ce que dans la famille, il y avait quelqu'un qui avait cette maladie-là ou bien vous ne savez pas eh, À mon avis, c'est juste une maladie qui n'a rien à voir avec la famille. Je pense que c'est juste une maladie qui peut toucher n'importe qui. Mariama, dites-nous quel était votre état d'esprit sur le coup quand on vous a annoncé la nouvelle. Quand j'ai eu les résultats après l'examen, je les ai apportés à mon médecin. Elle-même était surprise. Elle regarde le papier et d'un air inquiet, elle me dit Tanti, je lui ai dit Qu'est-ce qu'il y a c'est un cancer, n'est-ce pas Elle m'a répondu que oui. Mais j'ai gardé mon calme. Je n'ai pas versé une seule larme jusqu'à la maison. C'est quand ma sœur a demandé les résultats que j'ai commencé à pleurer. J'ai gardé la foi. Et aujourd'hui, tout va bien, Dieu merci. Et merci aux médecins. Merci beaucoup, Mariama. Madame Mariana, SOS Cancer, euh, dites-nous à combien estimez-vous le coût du dépistage au niveau de votre centre On a dépisté plus de 14 500 femmes. Ça, c'est le nombre de femmes dépistées. le nombre de femmes dépistées de la création à aujourd'hui. Est-ce que ces dépistages-là, c'est fait gratuitement ou bien même si c'est gratuit, à combien ça aurait dû coûter ou c'est juste gratuit C'est juste gratuit. On fait le dépistage gratuitement. On ne prend pas même Enfin, On le fait gratuitement à tout le monde. Donc, docteur, pour rebondir un peu sur ce qu'elle a dit, est-ce qu'au centre aussi on fait les dépistages Non, actuellement nous ne faisons pas le dépistage au Centre national de lutte contre le cancer, mais le dépistage se fait au Centre national de santé de la reproduction. Poudrière Oui. Uniquement là-bas Oui. Au niveau du centre, c'est le traitement, c'est la prise en charge. Est-ce que le Niger dispose euh, d'une stratégie, d'un plan d'action contre le cancer Ce plan vise d'abord à rendre euh, opérationnel ce Centre national de lutte contre le cancer. Qui est à moitié. Voilà, donc euh, dès que euh, tous les aspects seront pris en charge, ça serait quand même une très grande avancée dans la lutte contre le cancer. Et côté dépistage, parce qu'il faut commencer par là d'abord, est-ce qu'il y a des communications qui se font, des sensibilisations pour que les femmes puissent accéder aux différents centre euh, de dépistage. Bon, bien entendu, hein, actuellement, euh, le, Centre national de lutte contre le cancer organise euh, des sensibilisations, des tournées d'information, de dépistage et de sensibilisation à l'intérieur du pays. Donc les équipes sont en train d'aller région par région, même dans les villages vraiment les plus reculés, pour sensibiliser et dépister et aux besoins orienter les, personnes qui en ont besoin vers les grands centres de prise en charge de la capitale. Mais est-ce que selon vous, euh, tout ce qui est en train d'être fait euh, apporte ses fruits Est-ce que les femmes sont au courant Parce que octobre est dédié à dépister le, le cancer. Est-ce qu'il y a une affluence euh, de ces femmes Je pense quand même que de plus en plus, hein, l'information se fait entendre, Est-ce que de bouche à oreille, à travers la presse, on en parle beaucoup. Ce qui fait qu'effectivement, il y en a qui viennent comme ça juste pour avoir des informations sur le cancer, ce qui était quand même beaucoup plus rare avant. Voilà. Maintenant, certains malades, certains patients, je dis, viennent en constatation, non pas même parce qu'ils ont vraiment quelque chose, mais tout simplement pour poser un certain nombre de questions, voilà. Mm. Essayer de comprendre ou au besoin faire certains bilans. Donc, euh, bon, on voit de plus en plus euh, de tels patients. Ce qui, ce qui montre quand même que je pense que les messages sont en train de, passer. Pour parler toujours de la lutte contre cette maladie, docteur Dile Ismoua est une femme qui a décidé de lutter contre le cancer, d'où la création de l'organisation dénommée SOS Cancer et ce, dans le but d'aider les femmes à prévenir et à vaincre cette maladie. Je vous propose de suivre un portrait de docteur Dile réalisé par ma consoeur Hawa Ousmane. Né le 23 janvier 1915 à Niamey, d'un père ingénieur agronome et d'une mère enseignante, Dr Dillet ici Moha, après ses études primaires et secondaires, continue son cursus à la faculté de médecine de l'université Abdelmoumoun de Niamey pendant 8 ans, puis fait une spécialisation de 5 ans, dont 4 années à Dakar, puis un an à Paris, en France. Dès son retour au Bercail, Dr Dillet s'est lancé dans une lutte acharnée contre le cancer, maladie qu'elle qualifie de terrible et qui a emporté sa tante. J'étais en classe de quatrième quand j'ai une tante que j'adorais. C'était une femme belle, une femme vraiment, elle était en forme, un peu obèse, mais elle avait la joie de vivre cette femme. Et du jour au lendemain, sa joie de vivre est partie. Elle a dû perdre au moins 50 kilos en, quelques jours. Elle était atteinte de la terrible maladie qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. J'ai continué mes études, mais j'ai gardé cette tante-là en mémoire et ça m'a motivée parce que je voyais qu'elle souffrait, elle souffrait et je voyais qu'apparemment il n'y avait pas de solution pour elle. Et ça, ça m'a poussé à dire, ah, pourquoi pas la chirurgie oncologique, donc la chirurgie des cancers. Et je suis allée à Dakar. J'ai fait quatre années de chirurgie oncologique, dont une en France, pour me spécialiser et vraiment avoir le maximum de bagages pour servir mon pays. Après ça, quand je suis revenue au Niger, j'ai commencé à exercer. J'ai été affectée donc en 2010 à l'hôpital national de Niamey. J'étais donc la seule chirurgienne oncologue à l'époque j'avais de plus en plus de cas de patients cancéreux qu'on m'envoyait. Mais malheureusement, tous les cas qu'on m'envoyait, c'était des cas avancés. Vous ne pouvez rien leur proposer parce que le plateau technique même ne suffisait pas à les traiter. J'ai dit non, il faut qu'on ait une structure pour sensibiliser les gens, pour qu'ils se fassent dépister et pour qu'on ait plus ces cas dramatiques où chaque fois que je rentrais à la maison, je pleurais pratiquement en pensant à ces femmes-là et à ces hommes, à ces jeunes enfants qui venaient dans des cas désespérants. Déterminé à vaincre le cancer sous toutes ses formes, Dr Dile Issi Moha, avec le soutien de quelques patients et bonne volonté, a créé en 2012 le centre SOS Cancer à Niamey, un centre grâce auquel plusieurs cas de cancer sont dépistés chaque année. Au total, 14 500 femmes ont été dépistées à ce jour et près de 300 femmes traitées, souligne Dr Dele. Nous avons commencé par un petit bureau que nous louons avec nos propres économies. On faisait nos cotisations, on payait nos frais d'inscription et on arrivait donc à payer cette location-là. on avait des bénévoles qui venaient animer ce siège-là. Donc on se débrouillait pour faire de la sensibilisation. On prenait nos voitures le week-end, on partait dans les villages, on s'assoit avec les femmes sur les nattes, on fait des causeries villageoises, on leur explique ce que c'est que le cancer. Quand on avait un peu de fonds, il y avait les gens des pharmacies, des personnes morales, les gens qui avaient vraiment la motivation, on les abordait et ils nous donnaient des appuis, des médicaments, du matériel de dépistage. Et comme nous avons l'expertise du dépistage, nous avons formé des petites équipes dans un premier temps et on allait dépister dans toutes les régions. On allait d'abord dans la région de Tirabiri parce qu'elle est à côté. Puis quand les gens ont commencé à voir le sérieux de notre affaire, ils ont commencé à nous financer un peu plus et nous avons pu aller maintenant à l'intérieur du pays jusqu'à Agadez, jusqu'à Zender, jusqu'à Maradi, etc. Nous avons dépisté 14 500 femmes depuis la création et 298 femmes que nous avons pris en charge sous fonds de SOS Cancer, donc sous fonds des partenaires. Pour ces patientes, Docteur Dele est un modèle qu'elle ne cesse d'admirer pour sa vocation, pour son travail. Docteur Dele, Weibor Wangari no Weibor no Kanga Gwai, fils Goyo. a gwandin goyo wana baksina ayo En 2015 no ay kubai delle Mais ay me ka son kason fisibillahi wallahi borno kan wat kula a goyo borsidonda ay won day dai ne digude ay koyado ine cancer no il faut que e fafa imaka ane Il bi me e fafa ka problem fo kursino hal day gudo i won buga hambano ay ba fofi fafi kanga ane e fafa ka ane suivre mofa. son ça fait 4 ans alhamdulillah docteur dani no rendez-vous mo rendez-vous lokto kan non da sibisa haligi 30 asibayga karutara aga kasusubai zadi hinai doktor dille woni ma wallahi agni sammunu matkan nga gura dinu borgo asi borfantafa dinika ka agilla kalai kanandi irkoy dai ma albarka da niga irkoy taliban ta mino igoyu wani amfano Mère de deux enfants, docteur Dele Issi Moha poursuit son combat contre le cancer, bien que cette lutte s'avère difficile. Voilà, vous venez là d'écouter un portrait du docteur Dile Issemouha, présidente de l'organisation SOS Cancer ici à Niamey. Docteur Djakite, euh, quelle appréciation faites-vous de la motivation et du combat contre le cancer euh, de cette dame, euh, une de vos consoeurs Bien entendu, on ne peut que, on ne peut que l'encourager, puisque la lutte contre le cancer, c'est quand même une lutte âpre, hein, de longue haleine. Elle a vraiment choisi en plus d'exercer la médecine, de lancer une ONG de lutte contre le cancer qui, euh, je n'en doute pas, permet quand même de sensibiliser, de dépister, de mieux et d'améliorer la prise en charge des malades du cancer. Cela dit, le docteur Dilly, nous avons toujours travaillé ensemble puisqu'elle euh, elle opère les cancers et après la chirurgie, elle nous réfère les malades pour les besoins de la chimiothérapie. Donc nous, travaillons ensemble. Une collaboration. Voilà, une, collaboration très étroite pour l'intérêt des malades. Madame Rayanatou, est-ce que selon ce que vous aurez entendu auprès des patients, quelle était leur appréciation de ces actions-là Mes patients apprécient toujours Dr Dini, qui fait ses activités vraiment avec honneur. Si nous trouvons au moins euh, deux femmes ou bien trois femmes ici au Niger qui luttent contre le cancer. Vraiment, le Niger, dans quelques années, on va dire baba au cancer. Mhm. Madame euh, Mariama Kangay, de votre côté, qu'est-ce que vous auriez souhaité que les autorités sanitaires du Niger fassent plus pour combattre euh, ce cancer Qu'est-ce qui manque dans l'information pour que ça atteigne les femmes qui sont loin qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que l'information puisse porter to ba alhamdulillah ba so alhamdulillah zama ba bifo amma ba docteur dille funu campagne wai bare kai yangi ikaba mu agogan ga kan kulti agogan kan bihina kulti imidiya sai dai amati hmm. zamani bai kan bai dima ti furcin ranu haya siti buraga faraga ne fahimu wala hmm. me kan bai furcin ra bura kulmi dicar wallai kan sai iga bonza zamdi targa ma da bora targa dole di ima atang igadi mhm. ni faham me da da a mi il faut nous bora gini hein mhm. d'accord donc euh, docteur je reviens encore euh, sur la maladie est-ce que tous les cancers ont le même traitement par exemple le cancer du sein, le cancer euh, du col de l'utérus, est-ce qu'ils ont le même traitement Non, les traitements sont différents. Mhm. Mm. Les traitements sont différents, les protocoles de chimiothérapie sont différents en fonction de, de l'organe touché, mais aussi en fonction même du type euh, histologique du cancer, puisque les cancers même sont différents, il y a différentes formes. Donc en fonction de cela, on choisit des protocoles les mieux appropriés pour chacun. Par exemple, pour le cancer du sein, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le cancer du sein, généralement, le traitement qu'on recommande, c'est de faire euh, une, euh, une association chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Et dans certains cas, il y a aussi le traitement hormonal, l'hormonothérapie. Qui consiste à à des comprimés. Ce sont des comprimés qui vont bloquer l'action de, de, certaines hormones qu'on appelle les estrogènes. Puisque le cancer du sein, c'est aussi un cancer hormonodépendant qui dépend de la sécrétion des hormones féminines, en grande partie les estrogènes. Et quand on utilise cette propriété-là, pour euh, le traitement. Donc on apporte des produits qui vont viser à bloquer la sécrétion et l'action de ces hormones-là. Généralement, l'hormonothérapie vient en complément après la chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Et c'est un traitement hormonal qu'on fait en moyenne pendant 5 ans mhm. pour empêcher les récidives du cancer du sein, justement. Et à quel moment on ampute euh, le sein Bon, l'évaluation se fait toujours par le chirurgien. Mais dès qu'on détecte euh, le, un nodule au sein ou une masse, en fonction de la taille, en fonction des caractères inflammatoire ou non de la tumeur, le chirurgien peut décider soit de faire l'amputation totale du sein, c'est ce qu'on appelle la mastectomie, ou alors se limiter juste à faire, euh, à extraire euh, le, nodule. Là, la décision revient en fait au chirurgien en fonction de la taille et aussi du caractère euh, inflammatoire ou non de la, de la tumeur. D'accord. Et concernant celui du col de l'utérus le traitement diffère. Mais les grandes méthodes de traitement sont les mêmes. La chirurgie, si c'est décelé vraiment à temps, la radio et la chimiothérapie. Généralement, pour le cancer du col, on associe les deux. Il y a des protocoles qui associent à la fois la chimiothérapie et la radiothérapie. On appelle ça radiochimiothérapie concomitante. C'est surtout ce qu'on fait dans le traitement du cancer euh, du col de l'utérus en cas de, de cancer de col de l'utérus euh, guéri, est-ce que la femme peut enfanter à nouveau Ça n'impacte pas sur la procréation Bon, là, ça dépendra de, de l'acte chirurgical qui a été fait. Mhm. S'il y a eu une hystérectomie totale, c'est-à-dire une ablation de, l'utérus, je ne vois pas vraiment de, de grossesse possible. Mhm. Voilà, bon. Ça, c'est le ah, dans ah. les autres voilà. <laughs> voilà, cela dit, euh, de toute façon, si maintenant ça a été vraiment détecté à temps et que euh, on a pas, on n'a pas, on a quand même pu conserver son utérus, bon, la grossesse quand même me paraît possible, mhm. même si je ne suis pas gynécologue. D'accord. Ah. <laughs> ok, merci. Mais je parle vraiment sous réserve des spécialistes du domaine, puisqu'en médecine, chacun a son travail. Moi, mon travail, c'est de faire la chimiothérapie. D'accord. Merci, docteur Jakite. <laughs> Madame Rayana Halilou, est-ce que au niveau de votre centre, euh, il vous est arrivé de dépister euh, certaines femmes et qui ne reviennent plus qui, ont peur de, partir et ne vont plus faire euh, le traitement. On a dépisté certaines femmes qui ont refusé de venir pour se traiter. On a dépisté plusieurs femmes qui refusent de se faire traiter. Parce que vous savez, la femme nigérienne, dès qu'on lui, dit le cancer, elle ne voit que la mort. C'est pour cela qu'elles ont peur de continuer Parce que certaines disent que on dit tant qu'on fait l'ablation du sein ou bien on fait l'ablation du, euh, du de l'utérus, la femme va mourir. Ou bien c'est un génie qui a mis. Elle parle vraiment des choses qui ne sont pas vraies. Et elle refuse de faire le traitement. On a eu, à peu près, on a deux mois de cela, on a eu une femme de Torodi. Elle est venue pour se faire traiter. On lui a fait tous les examens. On lui a donné le lit à l'hôpital. On a vu tous les examens. Elle doit être opérée le mardi. On l'appelle, à refuse de venir. On l'appelle, à refuse de venir. elle nous disait que vraiment, il y a une de ses parents qui a été de refuser l'ablation du sein. Donc, on refuse l'ablation du, du sein, elle va mourir. Et la chimio, encore, c'est une autre. On lui a raconté de n'importe quoi. Donc, elle a refusé de venir. On a fait tout, tout, tout, tout, tout et refuse de venir. Et donc, oh. euh, pour euh, combattre ces préjugés-là, qu'est-ce que vous faites encore plus euh, pour les sensibiliser davantage C'est surtout la sensibilisation. Et on les explique que le cancer, on peut le guérir. On il y a plusieurs de gens qui ont le cancer et qui vivent plus de 20 ans, 30 ans. Ils sont là jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, il y a la mentalité vraiment qui mais est-ce que ces femmes qui refusent de venir de se, faire traiter, est-ce qu'elles reviennent un peu plus tard Elles reviennent un peu plus tard parce que la, euh, la femme, elle est revenue deux mois après. Et vraiment, on ne peut rien y faire. On l'a référé au niveau du centre pour qu'elle fasse la chimio. Et après la chimio, on va lui faire l'ablation. Parce qu'on ne peut pas lui faire l'ablation tant qu'elle n'a pas fait la, chimio. Donc, Mme euh, Madame Mariama Kangay, vous, dans votre entourage, est-ce que de votre côté, vous sensibilisez, je ne sais pas, vos soeurs, vos cousines, vos connaissances oh, ben, ben, oui, nous faisons de notre mieux. Vous savez, l'être humain a peur de la mort, mais on n'échappe pas à la mort. On sensibilise les femmes d'aller se faire dépister parce qu'on ne sait jamais avec quelle maladie nous vivons. Parce qu'il y a des personnes, quand on leur dit cancer, elle voit directement la mort, mon Dieu. Alors que maintenant le cancer n'est plus une fatalité quand il est pris en charge tôt. Au mois d'octobre, ce mois est dédié euh, à la lutte contre le cancer, ce qui s'appelle Octobre Rose. À quoi consiste euh, cette journée Quelle est son importance euh, ici au Niger le mois d'octobre rose, comme vous le dites, est très important. Ça joue euh, quand même. Euh, ce mois est primordial et capital hein, pour les campagnes de sensibilisation et d'information. Mhm et il y a bon nombre quand même d'activités de lutte contre le cancer d'information, des conférences, des, vraiment des sports, des campagnes de sensibilisation qui mhm. se déroulent pendant ce mois-là. Donc c'est, pour moi, c'est vraiment un mois opportun pour la mobilisation, la mobilisation notamment des femmes dans la lutte contre le cancer. Et donc, euh, que font les autorités euh, pour encore euh, véhiculer davantage euh, auprès de celles notamment des campagnes pour les sensibiliser Parce que, comme elle l'a dit, Madame Rayana, il y en a qui fuient dès qu'elles ont les résultats. Qu'est-ce que les autorités prévoient pour ces genres de personnes Là, on renforce davantage la sensibilisation. Mm-hmm. Et, très souvent même les gens même qui fuient, puisque souvent quand même dans les dossiers médicaux, nous au niveau quand même du centre, nous avons les, nous gardons toujours des coordonnées téléphoniques, soit du malade, de la malade lui elle-même, ou alors euh, d'un de ses répondants. Et en cas de perte de vue, on n'hésite pas à appeler ses répondants pour davantage insister. On n'abandonne jamais un malade. Donc euh, parfois, ça finit par payer. Il y en a qui, pendant longtemps, refusent, mais après, approche de leur entourage, de leurs parents, discussion, finalement, ils acceptent de revenir. Vous, les spécialistes, dites que pour le sein, la femme doit faire la palpation fréquemment afin de détecter toute euh, anomalie. Euh, quels sont les bons gestes euh, à ce propos Que doit faire la femme Là, c'est une autopalpation, comme vous dites. La femme mhm. doit, se, doit apprendre à se connaître, à palper ses seins. Généralement, on fait cela elle fait avec les deux mains de façon bimanuelle et de façon aussi répétée. Comment elle le fait Comme c'est la radio, on ne vous voit pas. Il faut, ah. décrire ce <laughs> que la, la description, c'est pourquoi j'ai dit de façon bimanuelle avec les deux mains. Elle peut palper du haut vers le bas, du bas vers le haut, essayer et puis comparer de façon comparative aussi les deux seins. Mhm. Est-ce que c'est pareil Est-ce qu'il y a une différence De façon simple, c'est un certain nombre de gestes là comme ça qu'on on, l'encourage à faire. Et certaines s'observent même au, même au, même d'un miroir pour quand même voir bien les deux. Puisqu'en cas de déformation, nous on appelle ça en termes médical euh, asymétrie, mhm. les deux seins ne sont pas pareils, euh, tout ça c'est des choses qui attirent euh, l'attention. Mais une fois qu'elle palpe quelque chose d'un côté et que de l'autre côté il n'y en a pas, mhm. on fait de façon comparative. Donc en palpant les deux, on sait se, on se fait une idée. Et, cela, une fois qu'elle elle palpe quelque chose de suspect, il faut le plus rapidement consulter un médecin. Voilà, notamment un oncologue ou un gynécologue pour vraiment faire un bilan plus approfondi et, et confirmer ou infirmer l'existence euh, d'un problème. Et donc pour finir, euh, à quel moment est-ce que les malades euh, sont référés dans les autres pays, les, évacuations. C'est vous qui euh, référez la personne ou bien c'est la personne qui décide d'elle-même d'être évacuée généralement, l'évacuation sanitaire c'est, est, décidée par les médecins spécialistes. Mm-hmm. Le but d'une évacuation sanitaire, quelle qu'elle soit, que ce soit le cancer ou même une autre pathologie, généralement, nous faisons au Niger tout ce qui est faisable ce que le plateau technique permet de faire au Niger. Et si l'état de la malade en ce temps-là nécessite des soins complémentaires dont nous ne disposons pas, là, en ce temps-là, nous proposons une évacuation sanitaire vers un centre euh, mieux outillé qui dispose d'un plateau technique euh, plus performant pour poursuivre et finaliser le traitement. Et donc, euh, en estimation, combien peut coûter la prise en charge d'un cancer du sein ici au centre, par exemple Bon, au centre quand même selon ce que nous faisons, puisque là, il y a lieu quand même de souligner aussi qu'il y a la gratuité pour les femmes et les enfants. Les enfants de moins de 5 ans et toutes les femmes, là, en fonction vraiment de, des disponibilités. Tous les bilans sont gratuits chez la femme et aussi les, les médicaments anticancéreux aussi dont nous avons parlé aussi, ils sont aussi gratuits, ne sont pas facturés chez, la femme. Mais si euh, on devait payer, à combien ça, ça va Voilà, ça dépendra du coût des protocoles. Les protocoles n'ont pas les mêmes coûts. Comme je vous ai dit, il y a différents protocoles. Hum. Ça peut aller. la chimiothérapie, elle est chère quand même. Une moyenne. Voilà, oui, bon moyenne, bon je vais plutôt vous donner peut-être une certaine fourchette pour se faire quand même une idée. Hein. C'est ça peut, les, quand même, même les moins chers vont quand même coûter au moins 50, 75 000 même les moins, les protocoles les moins chers. Et, on peut aller, oui, souvent six fois, une fois toutes les trois, quatre semaines ça peut aller à plus de 100 000, certains protocoles, il y a des protocoles où ça a plus de 150 000. Ça dépend du protocole. Et à faire pendant des années ou euh, Non, généralement, la durée moyenne des protocoles de chimiothérapie, généralement, on les fait pendant six mois. Donc, euh, nous sommes au terme de cette émission, mais avant de nous séparer, je vous propose de suivre notre rubrique euh, Affairage, Lotti ou Mazokiji en Hausa, qui sensibilise surtout en humour. Affairage, affairage, affairage, affairage. Sadio, Sadio. Oui, maman. Qu'est-ce que tu as Tu es pâle et je te trouve préoccupée. Hmm. Moi Non. Je. Je suis juste fatiguée. Je ne te crois pas. Tu oublies que je suis celle qui t'a donné la vie. Je te connais donc suffisamment. Qu'est-ce qu'il y a Maman. Parle, ma petite Sadio. Ne te ferme pas. Tu peux te confier à ta maman. Je ne sais comment t'expliquer. Ce matin, j'ai découvert une tache de une tache de sang sous sous je crains de m'être blessée. Je ne sais pas comment. <laughs> je vois ma fille ce sont tes premières règles. C'est un état physiologique naturel. Tu viens d'entamer une phase de ton adolescence. Et ça, pour une fille, c'est souvent difficile à vivre. C'est pour cela que les mamans doivent créer le dialogue entre elles et leurs filles afin de mieux les suivre et les encadrer. Les règles Qu'est-ce que c'est Bon, viens, écoute-moi, écoute-moi attentivement. La menstruation ou règle désigne un écoulement sanguin périodique évacué par le sexe de la femme. Cet écoulement peut généralement durer de 3 à 7 jours selon les femmes. Cela signifie que tu es tout simplement en âge de procréer, c'est-à-dire avoir des enfants, donc mes petits-enfants. Donc tu peux tomber enceinte si tu as des rapports sexuels. Ma fille, c'est un moment délicat à vivre hein, pour que tu te sentes bien dans ta peau durant cette période il est important pour toi de choisir ta protection périodique. Eh Dieu, protection périodique. Il y a beaucoup trop de termes que je ne comprends pas. Hein? Mon cerveau va exploser. Attends, s'il te plaît, Sajo. Je vais tout expliquer. C'est mon rôle après tout, ou bien Oui. La protection périodique, ce sont les différentes protections hygiéniques les serviettes hygiéniques sont les moyens les plus utilisés, mais pas forcément les plus agréables. Les protèges silips permettent d'assurer la protection des flux très légers des débuts et de fin de cycle. Les tampons hygiéniques sont très pratiques, surtout pour les filles qui font du sport. Il y a aussi nos serviettes hygiéniques traditionnelles qui se font avec des morceaux de pagne. L'avantage ici, c'est que ça ne coûte rien. Il faut cependant choisir des pagnes propres pour en faire. Ah oui, je vis souvent ma soeur Aïcha en fer. C'est donc ça, mais maman, j'ai mal au bas-ventre. Oui, ma chérie, ça aussi c'est normal. La prise de certains produits contre les douleurs ou même la pose d'une serviette chaude sur la partie peut aider à soulager l'inconfort. Par contre, si la douleur te cloue au lit ou t'empêche d'aller à l'école, nous devons aller en discuter avec un médecin. Super, maman. Tu es la meilleure. J'ai tellement eu peur, mais tu viens de dissiper toutes mes craintes et répondre à toutes les questions que je me posais. Excuse-moi ma fille, j'aurais dû en parler avec toi plus tôt car il est nécessaire d'aborder le sujet des règles avant que votre fille ne soit confrontée à ses premières. Elle sera ainsi préparée et rassurée quant aux nouvelles habitudes qu'elle va devoir adopter. Je suis devenue une grande fille maintenant. Je vais devoir changer de démarche, hein, maman. Hey, hey, attention. Hein. Voilà, ainsi se referme Espace Femmes d'aujourd'hui avec euh, pour thème les cancers du sein et du col de l'utérus euh, chez la femme, quelle prise en charge euh, au Niger. Nous étions avec euh, Madame Rayana Halilou, représentante de l'ONG SOS Cancer, Madame Mariama Kangay, ancienne malade du cancer, et Docteur Jakite Ibrahima, chef de département d'oncologie médicale au Centre national de lutte contre le cancer à Niamey. C'était Rayla Tsoumana à la présentation et Seine Isaka à la technique. Es was fam. Es was fam. Es was fam. Es was warm? Es was warm?